Et, eh, eh, il faut continuer ce combat-là. C'est le combat qui va nous permettre de gagner. C'est le combat qui va faire en sorte que nous allons gagner la prochaine élection présidentielle. Merci. Même même bu fekkee un dañuy candidat de opposition dégg Un ko dem jëlee fi Macky mooy jox espoir l'électeur et les citoyens beneen bi mooy Macky sàll jël na réew mi pasa pasare ko laccantoo ko te lii nga xam ne moom la ñu wax opposition bi buñ ko defee ëllëg si biir li nga xam ne mooy suñu métit danañ ko fi jëlee mooy le Sénégal de sàll pour fay le Sénégal de Sall pour fay le Sénégal de Stal pour fin, et non pas le Sénégal de tous pour tous. Libéré, Alifa, libéré, libéré, Alifa, libéré, libéré, libéré, libéré, Le parti Yono-Ascanoui, Wi taxaw a ñetti parti yooyu laay waxal ñun li démocratie moi la liberté.

bi yàqu na hôpitaux yi yàqu na yi ay milliards et milliards la ñu yoreel yi les enseignants ñu ngi sonn il faut qu'ils respectent les accords signés le gouvernement est un gouvernement sourd c'est un gouvernement muet c'est un